To demain plus de 7 millions de Nigériens seront aux urnes pour élire le futur président. le candidat de l'opposition qui a obtenu 16,98% au premier tour, et celui du PNDS Tareya Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir qui a eu 39,30% des voix le 27 décembre 2020 tout au long de ce processus électoral les jeunes ne sont pas restés en retrait leur implication était impressionnante et pour cette dernière ligne droite qu'est-ce qu'ils retiennent de ce processus électoral qui tire à sa fin et quelle sera leur implication dans ce deuxième tour décisif ku bi mu sau da kafa a cikin wannan shirin namu da muka dora a Nan, Conseil national de la jeunesse CNJ, en gros francophonie. Merci encore pour l'accueil. Comme invité, nous sommes avec le président du Conseil national de la jeunesse, Ali Omoru. Ça va, président Bonjour, Inakwana. Lahiya lau, kuna lahiya Lahiya lau. Ya kwana biyu, mun dan dade fa. Ga mun dai <laughs> Nous sommes avec Kofi Dove, cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme. Ça va, Kofi Ah, ça va, dire quoi ça va va bien Super. Salut, bienvenue sur Tout ça la Fada. Nous sommes avec Sakina Toumunkaila, membre du conseil euh, communal de la jeunesse. Ça va Ça va. Tu vas bien Ça va, Gabouna, Super, ça la bienvenue également. Merci. Nous sommes avec Mohamed Awal de l'AJDP, l'Association des jeunes diplomates et politologues. Ça va Ça va, Barka Arabi. Barka Salut tout le monde. Ya harkokin wannan zaben? Muna ciki. A shirya ma gobe? A dole a shirya. To d'accord. <laughs> Zakujibo Hasumi, président de la commune de CNJ. Ça va Ça va, Lahia Kana Lahia Lahia alhamdulillah. Super. Nous aurons de la musique vous le savez bien, il n'y a pas de fada sans musique. La rubrique qui sera l'affaire de Mr. Dandy et la chronique de la fada. Top, c'est parti De son début, le 2 décembre 2020, à ce jour, le processus électoral au Niger a été riche en rebondissements. sa Siyasa Kalakala da kalamai mun mun gani wani abun ba daɗi des alliances des appels à des élections apaisées qui fusent de partout Togo, gobe dai sai zaben shugaban kasa kuma wannan nauyin yara ta ya a mu mu matasan kasar ga tambaya ta un petit recap ce processus électoral qu'est-ce que les jeunes retiennent président qu'est-ce que vous retenez de ce processus ton Merci. Je voudrais d'abord vous souhaiter une fois de plus la bienvenue à ce beau siège du Conseil national de la jeunesse à la francophonie et dire qu'après deux mois de processus électoral, nous voilà à la fin, en tout cas de la campagne électorale. demain, Inch'Allah, on va participer massivement. Doumata Souta, Ce que nous retenons, c'est que le premier tour s'est passé dans un climat vraiment apaisé et nous souhaitons, malgré les tensions de part euh, et d'autre, que demain dimanche, que chacun de nous puisse aller euh, s'acquitter de son devoir civique, mais aussi mobiliser ses pairs à en faire, en faire autant. Et euh, nous, savons tous que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. La politique ne doit pas diviser les Nigériens. Nous devons le retenir quelque part dans notre cerveau. Et rien n'est possible sans la paix. Vous savez, euh, demain, nous devons tous voter pour la paix, pour la sécurité qui est chère à notre chère parti Et nous ne devons pas oublier quelque chose. La majorité des Nigériens ne votent pas, n'ont pas l'âge de voter. Nous avons le devoir de les sécuriser. Si nous vivons aujourd'hui en paix, c'est parce que quelque part, les aînés ont travaillé pour que ce processus-là aussi se passe. Donc nous ne devons pas pour le ba mu bai kamata a ce bai kamata ba mun lalata abubuwan ko wani yan siyasa ya ji dadi a sa wuta cikin kasar nan bai kamata ba Niger namu ne yan siyasa ba su da yawa kenan dole ne mun sewa kenan dole ne saban <laughs> gobe a yi cikin kwanci hankali to kun ji dai president yayi magana Muhammad Awal zan dawo gare ka kai wacce irin rasukana ce za ka yi ta wannan zaben tun da aka fara shi zuwa yau me ka rike e eh, na gode da wannan gayyata cikin wannan siege wato uh, ah, CNG mm -hmm. Uh, da farko abinda ya kamata mu gane tun farkon wannan zuwa yau motivation da Nigériens, notamment jeunes, ils ont joué un rôle vraiment eh, plus que eh, important dans ce processus électoral. Et j'aimerais aussi venir sur

matasa yanzu ya kamata mu yi implikin kanmu duk cikin abubuwa. To, mun gode yanzu tambaya ta ta biyu. Nous sommes sortis d'une campagne électorale chargée très souvent difficile avec hélas des violences yanzu har an kai ga physique kin ou verbal maganganu cacar baki qu'est-ce que vous aimeriez ne plus revivre parce que ça n'a pas été vraiment rose bon pas le parti mais ça n'a pas été euh, toujours sympa sympa joli joli euh, vraiment cet environnement politique euh, Bon, commencez par remercier de nous avoir invités à votre fada et prendre du thé avec vous, c'est vraiment important, et de, et de discuter sur l'avenir du pays, nous en tant que, que jeunes, mhm. discuter sur euh, l'avenir du pays. C'est vrai, euh, la campagne électorale euh, du premier tour, nous, étions un peu comme des, observateurs parce que nous, au niveau du cadre, on a créé un dispositif que nous appelons DISOL, qui est le dispositif de la société civile pour l'observation des, des, élections. Mhm. Donc nous avions non seulement observé la campagne euh, le jour du scrutin, après le scrutin, nous avions tout observé, nous avions transmis un rapport au niveau de la sénine. Alors, c'est vrai que euh, il y a eu quand même des propos déplacés, discourtois, qu'on ne devrait pas retrouver en démocratie. Parce qu'en démocratie, on suppose que c'est euh, la force des, idées, c'est la force des mots, c'est la force des, arguments. Voilà, un programme, un programme. on devrait, on devrait convaincre la population à base d'un programme. Or, beaucoup des candidats n'ont pas de programme sérieux, n'ont pas de projet de, société. Ils se versent dans la délation, ils se versent dans des insultes, ils se versent dans des propos qu'on pensait révolus d'un autre siècle. À notre siècle aujourd'hui, c'est les mots, c'est ce que vous pouviez faire pour nous et comment vous allez réaliser. C'est ça qu'il faut nous, convaincre. Mais malheureusement, parmi les 30 candidats, très peu ont un programme, très peu ont véritablement le souci et le devenir de ce pays. Donc au deuxième tour, ce que nous voudrions, c'est que les candidats arrivent à nous convaincre avec un programme bien ficelé où chacun puisse retrouver sa place. La jeunesse aura sa place, les femmes, ainsi de suite. Parce que eux tous prétendent travailler pour le bonheur de, ce peuple-là. Et s'ils prétendent travailler pour le bonheur de ce peuple-là, il faudrait que nous ayons des preuves tangibles que demain je puisse dire j'ai voté tel candidat à base de ce programme-là. Je ne l'ai pas voté parce qu'il est beau, je ne l'ai pas voté parce que c'est mon cousin, je l'ai voté parce que j'estime que les cinq années à, venir, mon avenir est plus rassuré avec lui. Ouais, voilà. ouais, ouais. To, yanzu dai ma ke cikin programme kin nasu ko wanda ya gane ya gane, wanda ya yarda ya yarda tun da gobe dai zabe ni. Yanzu bari in ga tambaya ta ta uku zagaye na farko matasa ba su koma kai su ne ma ake gani a ko'ina a votre avis demain pourra-t-on avoir cette même implication des jeunes Zakou, gobe za mu samu matasa su hito da dama parce que entre le premier tour da il s'est passé beaucoup de choses on peut quand même espérer que euh, ils vont sortir massivement comme au premier tour les jeunes to ni a gani na gobe matasa za su hito in Allah ya hmm. yarda hiton da za su yi in da zai ma huke da hiton da sun yi da hari Oske wannan zabe shine zabe ta karshe shine selidar ne kun gane kenan yanzu cikin mutum biyu ne za a zabe mutum biyun ga a gani na matasa sun ga program insu kenan kowa ya san da program da ya kamata ya dauka cikin program biyu kenan kowa ya diba wani kote ne ya kamata in dauka mhm, mhm. a cikin program insu kowa ya magana bisa aikin matasa parce que kun san da wannan lokaci matasan Niger sun huke 70% da population in nan mhm. kenan eh, su mu da kanmu matasa ya kamata mu dauci da stan mu lokaci ya zo da ya kamata mu ce wane shine ya kamata ya zama shugaban kasa shine yana da program cikin program in shi ana dauke ana dauka matasa aiki ana ba mhm. matasa aiki ana ana ba su kaman eh, alhakin su duk kokarin da sun yi cikin siyasa a wannan lokaci ne ya kamata a ce matasa kun yi kokari kun yi aiki kuma in kun gani eh, zaben da sun huce matasa sun shiga cikin election da yawa eh, an samu kandida da yawa cikin matasa kenan mutum da ya eh, ya yi takara shi da kanshi shi ya kamata a ce ya san menene yake so mi ina ne zai tahiya zan dawo gare ki tu. miss <laughs> in fada in muta yau <laughs> <laughs> voilà to yanzu ke dai cikin community ta kina tu en contact avec des jeunes ya kike nan gashin suke nan gashirin ta hiya wannan deuxième tour un peu la température partage avec mm. nous la manière dont les jeunes bana sun shiga cikin harkan vraiment personnellement ni ban gane shi les ouais. années antérieures. Ouais, ouais, Cette année, grâce aux formations, aux différentes formations qu'on a eu à avoir, nous avons quartier oui, mm. sensibiliser les jeunes Nous, nous musu l'importance et de l'implication des jeunes dans le hmm. processus électoral. Vraiment, Donc, cette année, alhamdoulilah, c'est un peu euh, tout timide, hein? Chourou, chourou, <laughs> les jeunes vont sortir voter. Ah, ils vont sortir ça suite, Super, alors. <laughs> On va aller avec la rubrique euh, de Mr. Dondi. Ladies and gentlemen, welcome to the studio Kilangu. I'm going to introduce Mame Dondi. Yeah, like Miami, like USA. You know what we'll do, man? You know what I'm saying, homie? we come to the studio Kalango. Everybody, I want to say you that you are on the studio Kalango. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Hey. Une rubrique spéciale consacré à l'art et à ceux qui le pratiquent sur l'émission Tous à la Fada. Vous êtes connectés un peu partout au Niger. Nous vous souhaitons la bienvenue. Tous qui kiffent cette rubrique à travers le site du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste nigérien calé dans tout. Il a commencé par le rap. Il s'est imposé dans le temps. Après I Want to say That, il bascule de comédie. Il avance tranquillement et qui va lentement va sûrement. L'artiste Biman aegoka ne plus a présenté. Sur l'émission Franco Aoussa de la Miss Rim, nous allons parler du parcours en question du combattant. Nous sommes samedi. Biman, la machine te souhaite la bienvenue sur le studio Kalangu. You know what I'm saying? Yeah, you feel me, man. I'm fine, I, I feel you. <laughs> don't don't don't give don't give me your hand because <laughs> you know that. Uh, coronavirus. Coronavirus. tu n'es pas infecté Non, non, non, même pas. Do, you not infected Non, non. Et puis avant de rentrer, je, je dû me laver les mains. J'avais la bavette et tout, donc euh, tu n'as rien sûr. Donc, du coup, je suis en sécurité. Biman Egoka, <laughs> Donc dis la machine te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Tu es connu par ce nom, Biman Aigoka. Qu'est-ce qui se cache derrière Biman Aigoka De quoi parle Aigoka Donc Aigoka, c'est une philosophie. C'est pour dire que... Donc Aigoka, il est philosophe. Yeah, he's a philosopher, you know what I'm saying <laughs> <laughs> C'est pour dire que, quel que soit le hit que je sortais, parce que c'était quand j'étais artiste, mhm. quel que soit le hit que je sortais, c'est qu'il y en a toujours encore. C'est que je m'arrête jamais il y a toujours quelque chose qui va sortir. Donc c'est ça le truc en fait. Ouais. Donc ego Aigoka, ça ne va jamais finir. Ça va jamais finir. Bah, c'est du non-stop quoi, tu vois. Tu peux me parler de Biman à l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle ou comment est-ce qu'on t'a appelé à l'école bah, Kabir Mohamed. Kabir Mohamed. tu es né en quelle date 20 euh, août 87. 20 août 1987. Euh, à Niamey Ou bien aux États-Unis Non, non, à Niamey. <laughs> Après j'ai... J'ai un peu migré vers le Nigeria parce que j'ai passé une, moitié de mon enfance au, au Nigeria, à Abuja. Ok. Donc, ensuite, euh, j'ai un tout peu voyagé un peu, mais finalement, je suis revenu à Niamey. Super alors aujourd'hui, sur cette émission Bimam, nous allons réunir toutes les conditions pour parler de ton parcours. Tu as commencé par le rap. Tout à l'heure, tu disais que à chaque fois, tu as les flots qu'il faut, la place qu'il faut. Alors parlons un tout petit peu de tes débuts. Comment est-ce que tu es venu dans la musique J'ai commencé en classe de 6 Sixième 6 Ouais. 6 hein? Ouais. Tu as commencé à chanter en classe de sixième Ouais, j'ai mes débuts au fait. Okay. Je t'apprenais, je disais, je grignotais des phrases qui. Genre, qui, ne rien dire au fait. Ouais, faut Hinza, ouais. Un truc comme ça. <laughs> Je check le flow avec le monde de combat, tu vois. Le truc qui valait rien dire, mais. <laughs> non, mais pour avoir le but et savoir euh, comment prendre les choses euh, au bon moment et tout ça. Et, rester dans le tempo, comme on dit. Ouais, dans le tempo. Alors, tu étais euh, en classe de 6 Tu t'es forgé en rap. Quand est-ce que tu as commencé véritablement le rap euh, je parle de rap euh, professionnel, au fait. 2008-2009. 2008-2009. Oui, avec, Alpha Record. Avec Alpha Record. Bernard, ouais. Alors, donc, du coup, c'était quoi C'était une formation, mais c'était euh, toi seul, tu voulais te lancer Ou bien tu étais en groupe J'étais pas en groupe à l'époque, mais je voulais juste me former. Donc, j'écoutais beaucoup de la musique. un moment, j'ai voyagé, j'étais au Nigeria. Mhm. Je crois que je me suis beaucoup plus formé là-bas, mhm. d'où mon, truc pour l'anglais, mon amour pour l'anglais, et de rapper en anglais. Donc, je me suis plus forgé là-bas. Donc, une fois au Niger, j'ai un peu plus accentuer le truc sur le rap, l'anglais et tout ce qui suit. D'accord. Ah, en 2000 rap, tu te rappelles de ton premier euh, single, de ton premier rap Ouais, sur le beat de Make It Rain, quoi. Put your hands in the air, quoi, tu vois. C'est quoi Put your hands in the air Qu'est-ce que tu as fait Tu peux poser ça sur ce beat Everybody, put your hands in ah. the air, fulfill me. Put your hands in the air. This is a straighter. Uh, okay. Nigga, I'm a get, I'm a warning. Yes, I. I'm a superstar, my nigga. What you wanna do with my nigga? Ok, hey. Les ça, c'est ça. Première <laughs> fois de rapper. Donc, du coup, tu as déjà commencé à maîtriser, euh, euh, n'est-ce pas, le rap en ce temps. Alors, Diman. Et aussi, du quelque chose qui est très important. Hein? Mes parents ne voulaient pas que je rappe aussi. Ah non, tout le monde le sait. On sait que ben, ça n'a jamais été facile. <laughs> Rapper, et pour eux, ça n'a pas d'avenir normal. Parce que quand tu fais de la musique, tu n'es pas pris au sérieux chez nous. Nous, ben, on a c'est point irto les gars, Angela sintina menoa donc euh, sur l'émission franco euh, n'est-ce pas Aoussa on va donc se reprendre plaisir demain mesdames et messieurs dimanche hein, à partir de 17h45 sur nos radios partenaires et nos télévisions euh, partenaires le site du studio Kalangu pour parler en question bien évidemment du concept de la vie c'est massa homme et homme et Sam nous allons parler de l'acteur de ça raconte de la série ça raconte dans ce temps restez donc en notre compagnie ne zappez surtout pas la suite donc de l'émission tous à la fada c'est avec la miss c'était Biman, Aigoka. C'était la machine. Yeah, you know what it is, man. La vie, c'est massa. Ouais, samedi, c'est balsa. <laughs> Retour à la FADA, Installé au siège du Conseil national de la jeunesse au quartier francophonie. Aujourd'hui, on parle des élections. Demain, le deuxième tour de la... On parle de mobilisation des jeunes. sare ya ne za su tafiya wannan zaben. Wace rawa ce kuma za su tafiya ga wannan zaben. Tunda dai wannan yaunin yara ta ya a A cette fada, nous sommes avec euh, Kofidov, Kofi il est du cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme. Nous sommes avec le président Alio Omarou, président du Conseil national de la jeunesse, Sakina Toumunkaila, membre du conseil euh, communal. CNJ, Mohamed Awal de l'AJDP, Zaku, Jojo Hasumi, président de la commune de CNJ également. da Revenons sur l'importance de l'implication des jeunes. Cikin wannan zaben Nagobi. Abuwa dia da sun faru tsakanin deuxième tour, euh, premier tour kin wannan deuxième tour kin wannan. Muna so mu san president, ka muna important importance qui implication kin jeune hein, akwai ma wanda zai kwanta gobe ya ce kai <laughs> ni kawai wannan abin ya ishe ni ga ya mishi importance kin implication kin shi to Et eh, comme l'a dit euh, Sakina, mm -hmm. depuis plus de cinq ans, nous nous sommes mobilisés pour sensibiliser davantage la jeunesse nigérienne à s'intéresser à la politique. Parce que de tout temps, Mouna Kikinfada, euh, on se plaint du fait que ce ministre ne fait pas bien le travail, ce député, il est élu, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Mais pour changer tout ça, il faut s'impliquer dans la vie politique. Et jamais dans l'histoire du Niger, nous n'avons connu euh, autant de candidatures de la jeunesse. Il ne s'agit pas seulement de la mobilisation, il s'agit aussi d'une forte implication. On a eu beaucoup de jeunes candidats aux élections municipales, aux élections législatives, mais aussi présidentielles. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont porté, qui ont osé. D'autres candidatures ont été euh, invalidées, mais beaucoup de candidatures aussi ont été, ont été validées, C'est qui est une très bonne chose. Ça veut dire que les jeunes ont compris que euh, Bachikim Anaï Chanja mun gani konkur da yawa da aka yi anule a cikin kasan nan matasa suna so eh, kar a yi anule konkur kenan dole ne su shiga cikin siyasa kuma ah, mun gani program eh, engagement da yawa da 'yan siyasa suna dauka in ban ma cikin siyasa yaya ne za mu ce musu engagement wannan da ka dauka baka cika alkawali ba in baka cika alkawali ba zabe da mai zuwa insha Allah ba ba a kama maka kuma mun ne muna da yawa kenan in matasa shi kandida ne dole ne matasa da yawa su kama mishi kuma mun gani matasa da yawa ne sun zama eh, yanzu matasa da yawa ne sun zama merori eh, sohi da ana ce a kore su ba kore ne za a yi musu cikin zabe ne za a hidda su kuma insha Allah mun gani kaman eh, cangin hali ya wara kuma bayan wannan ma a wajenmu na a wajenmu kungiyar namu na conseil national de la jeunesse tun 11 janvier ne muka hara wani babban eh, caravan eh, na sensibilisation eh, na matasa don zaben na a yi shi cikin kwanke hankali tunda mun gani abu da ya faru a can kuduwaru zage-zage ya kawo abun na kenan bai kamata ba nan nijar mu yi wasa da, da hankali ba a yi wasa da kwanciyar hankali tunda in babu kwanciyar hankali ko emission in nan ba mu ya mu yi kuma fitina ya, ya fara matasa 'yan mata eh, yara su ne za su wahala kamar ake ta farin eh, aka sani ba a san ba inda abin zai zuwa ba a san karshe ba ya ji ya yi tsara ya yi tsira a yi hattara yanzu eh, muhammad awal zan dawo gare ka kana da wani ƙarin bayani da za ka bada bisa kan wannan intervention kin na president da zan yi wato ba ƙarin bayani ba ne kamar ah, gudunmuwa ce da zan kawo nima tawa Okay. Ah, bayan maganan da ah, shi shugaba president ya gai ya mm. faɗi komi kenan mu a namu kungiya mun kai yau kusan wata biyar agdp da muka soma sensibilizin matasa akan importance su impliken kansu a cikin siyasa saboda sanin cewa yadda shugaba ya uh, ba kritike ba ba a yi ta gayi ba yanzu ne kamata ka kawo naka gudurmuwa ka ga yadda abin zai tafi mhm, mhm. haka ne muka kawo namu wato tafiya ciki kuma alhamdulillah wannan zaɓe ya gwaji cewa matasa su ne gaban komai wannan ba fannin matasa ba kawai su ma masu wato ainihin parti politikansu sun san cewa yanzu matasa su ya kamata a zan sawa cikin tafiya alhamdulillah sun gane wannan mahimmanci yanzu kiran da za mu yi shine ga matasa gaskiya kada mu sha uh, uh, baya a yadda muka soma wannan tafiya mhm. wato yaƙi cin da muna so har mu kai manufa shine wannan ƙarin bayanin da zan yi eh, kofi zan dawo gare ka kana da wani kira da zaka aika ma wani sako da kake da ga matasan da ke shuraren mu de partout hein, au Niger tu as un appel à lancer à oui, l'appel que j'aurais à lancer c'est de dire à, la jeunesse de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser euh, jouer. Quand je dis de ne pas se laisser jouer, les politiciens, quand ça va entre eux, ils ne font jamais appel à la jeunesse. C'est lorsque ça ne va pas qu'on nous appelle pour descendre dans les rues, qu'on nous appelle pour euh, aller brûler, aller casser. Ce que nous brûlons, ce que nous cassons, c'est nos biens à nous. Si nous prétendons diriger ce pays... Hein, on paye les taxes hein, pour ça. <laughs> si, si nous, nous, nous, aspirons diriger ce pays demain et que nous, avions, que nous cassions déjà ce que, le peu qu'il y a, mhm. alors là, on va diriger un pays en ruine. Ah alors, pour ne pas diriger un pays en ruine, la jeunesse doit préserver ce qu'elle a. Un vieux de 60 ans ne va aller casser, un vieux de 90 ans ne, ne va aller brûler. Ces politiciens-là, c'est des amis entre eux. Ils se retrouvent dans leur salon carolé, ils prennent leur machin ensemble, ils font leur truc ensemble. Et après, quand ça capote, ils font appel à nous. Pourquoi ah. ne font-ils pas appel à nous pour venir gérer avec eux au, salon. <laughs> ils font appel à nous juste quand ça ne va pas. Donc, la jeunesse doit être extrêmement vigilante. La jeunesse doit savoir faire la part des choses qui veut le bien de ce pays, qui veut le bonheur de ce pays. Et celui qui vous appelle à aller détruire, à aller casser, soyez sûr et soyez convaincu qu'il ne veut pas de votre bien. Parce que de toutes les façons, quand on va vous prendre, c'est vous qui irez en prison. C'est vous qui allez subir les bastonnades. Donc, il faut que cette jeunesse-là soit responsable et consciente. Consciente pour pouvoir préserver nos Kofi, responsable et consciente. Sur ces mots pleins de sagesse, Kofi, on va aller en musique. Je crois qu'on va encore retourner avec Unité de Jorodi et on se retrouve juste après. conscience ni tout en avant pour l'unité C'est moi il y a pour les poètes, pour les qualités te des utopies seront Pour mon nos Et tout monde il gens quand ils passent Conscience péché, ennemi de nos yo C'est pour nous qu'on les efface, l'idéal de toute cité par l'unité, madrigate, magate Yo, magate, yo, yo, unité yo yo, la Tu 돼지가 됐을 위니테노 위니테네 니가봐 아니니가 돼요 아갈란데 파니요 감게 Ah, on va revenir à la FADA, l'unité, l'unité, comme l'a dit Jorodi, on a vraiment besoin de s'unir autour de ce pays, des idoles de ce pays, de notre richesse commune. Retour à la FADA, yau hirar da muke nan ga a nan sai jikin CNG ga amkuri yau CNG su da suka karbe wannan shirin namu wannan zaben da za a yi gobe matasa ya ne za su tahiya wannan zaben Wacce rawa ce za su su taka wani yauni ne ya rataya a wuyan su. hirar shi muke nan gayi a yau tare da president Aliyu Umaru president du Conseil national de la jeunesse, Kofi Dove, na cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme. Sakina Moukaila, membre du CNG, Mohamed Awal, je suis commandant AJDP, Association des Jeunes euh, Diplomates et Politologues, zaku Jojo Hasmi, de la Commune 2, shi ma na CNG kin, na nan birnin Yamai. Yanzu tambaya ta ta Je da za muku in da ke sakina. Attente, en tant que jeune, jeune femme, qu'est-ce que tu attends? Je suis jira dai wannan shugaban de dai za ya zuwa? Qu'est-ce que tu attends? To, attentes. Mm -hmm. Abun jira, zan iya jira biskan le futur president mm. na waga kasata mu mm. da ya tuna baya ya tuna da promise da promise inda ya yi ma matasa da yake zai yi in ya hau president mhm, mhm. kenan mm -hmm, muna so wannan dai ne attempt inda za mu iya ce an thank you jean ya tuna da kewa ya yi ma jeunesse in abin ga me aka ce ya hiddo program mun karanta mun amince mun ce to in ya samu ya tuna da me aka ce <laughs> ya tuna da voila to sakina dai alkawali ce ka amince alkawali to mm. in zo gare ka za ku kai to ni jiran da nake dai ina son eh, da fari ina ce su tuna dai da, promise da sun yi mm. da fari yanzu cikin promise ɗin nan nasu suka ke za su ba matasa aiki mm-hmm. to muna so ba aiki kadai ne muke so ba muna so ne a bude mana hanya da muna shigo cikinsu mu samu mu yi aiki mu da kanmu mm-hmm, paske mm-hmm. mu matasan nijar akwai masu diplom da yawa gwamnati ba a iya dauka mu duka gwamnati bai ba mu mu duka aiki kenan ya kamata a ce a samu eh, hanyoyin bisa kan entrepreneuria mhm, mhm. a bude musu hanya da ya kamata mu bi mu samu kanmu a cikin aikin nan na matasa in matasa bai da kanshi in bai da komi cikin hannun shi bai iya aiki kuma wanda ba su da aikin nan su ne suke lalanci cikin bisa hanya su ne ran zabe masu ba su zabe kaman irin matasa biyu ne addakwai akwai wasu matasa da suna cikin inuwa haka suna zamne su ba su shiga cikin harkokin lalanci mm. wanda suna bisa hanya su ba su da komi kuma ba su da aki to matasan nan ne muna son ya kamata a ce su gaban kasan da zai zuwa ya samu eh, matakin da zai yi su samu aiki ya yi eh, kaman ecole des instituts de mm-hmm, mm-hmm. formation professionnelle da yawa matasa su samu aiki eh, aikin hannu ko ya ke da <laughs> kun ji dai za ku president da kai za ni kare wannan shirin nawa president ga ya muna tunda kai dai murya taka ta jenoni diya ne ba kaɗan ba ne yi za kun san president notre president eh kun san attentes in mu suna da yawa mhm. tunda kaman kun sani wasu sohi suka ce mm. in kana so ka bata kasanka kar ka ba matasa tarbiyya mai kyau mhm. muna so matasa a ba su tarbiyya mai kyau a ba su horo mai kyau tunda su ne manyan su ne manyan gobe a bayan wannan ma muna so matasa Nijar su gane wani abu gobe bayan zaben nan kujeran nan wuri guda ne duk abun da aka yi mutum guda ne zai samu ikon nan kuma wanda zai samu Allah ya saba kuma ya ya Donc, en tout cas, pour finir, euh, nous souhaiterons que demain, les choses se passent très bien et qu'après demain, que personne ne sorte proclamer des résultats. Nous avons des institutions habilitées pour ça. Nous avons la, mm-hmm. euh, Commission électorale nationale indépendante, nous avons la Cour constitutionnelle, qui sont les seuls institution habilitée à proclamer des résultats. Que les gens arrêtent les conneries entre griffes qui ont mis certains pays à feu et à sang. Nous n'en avons pas besoin. Et dans tous les cas, les deux protagonistes se connaissent et moi, je ne serais pas surpris que demain, ils continuent à travailler ensemble. Donc, il n'est pas question que la jeunesse se mette dans les rues pendant qu'eux, ils seront toujours dans les salons avec leurs enfants pour décider du sort de, de tous les Nigériens. Donc vraiment, demain, vivement que les choses se, passent très bien pour que les jeunes qui ont leurs entreprises, les jeunes qui veulent étudier, les jeunes qui veulent, euh, je ne sais pas, investir, que ces investissements se fassent dans un climat apaisé. La paix est la plus grande richesse que le prochain, en tout cas, candidat puisse doter, en tout cas, le Niger et sa jeunesse en particulier. Voilà président a parlé. <laughs> On va bientôt se dire euh, bye bye sur cette émission, mais avant cela, Mr. Olivier va venir avec euh, la chronique de la FADA et on se dit à tout de suite. Science sans conscience n'est que rune de l'âme, a même le philosophe humaniste François Rabelais. Et nous étions au 16e siècle. Au 21e siècle, stratégie politique sans technologie n'est qu'un échec annoncé. Amis auditeurs et auditrices de l'émission, tous à la fada, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de l'usage de la technologie en politique. Ces dernières années, la technologie est devenue un enjeu politique dans la plupart des pays africains. Laissée longtemps de côté par les hommes politiques du continent, surtout ceux de la partie ouest africaine, la technologie se trouve désormais au cœur des axes stratégiques des politiques de développement. De Niamey à Cotonou, de Lomé à Ouaga en passant par Bamako, Yamoussoukro, Conakry et bien d'autres grandes capitales, la fièvre de la digitalisation traverse les capitales africaines de plus en plus tournés vers la digitalisation, les hommes politiques africains, qu'ils soient aux commandes ou opposants, font de la technologie un allié incontournable, un outil de dénonciation pour les uns un outil de censure pour les autres. D'autre part, un outil de développement permettant de passer du classique au digital. Alors, peut-on parler de transition technologique Oui, au Niger par exemple, avec la création de l'Agence nationale pour la société de l'information qui enchaîne des projets de transformation digitale, on dirait que la transition technologique a devancé celle politique. Avec le lancement récent du dernier service Niger Online, un portail web permettant de digitaliser les différentes procédures en vue de faciliter l'obtention des documents administratifs, c'est une grande partie du service public qui est disponible en ligne. Une question encore se pose. Comment les jeunes tirent profit de cette transition technologique eh bien, les moins de 40 ans sont les plus aptes à s'adapter aux transformations digitales. Les jeunes arrivent à tirer profit à travers la mise en place de solutions digitales, en intégrant des dispositifs digitaux à des systèmes classiques existants. En gros, les jeunes restent les piliers de cette transformation digitale observée dans nos pays. Eh bien, pour aller loin, il faut ménager sa monture, dit-on souvent. Comment les jeunes peuvent mieux tirer profit de l'implication politique dans le secteur technologique À demain dans une nouvelle chronique. Bye bye. Merci Olivier, merci pour tes chroniques toujours euh, aussi euh, éditives. Voilà, c'est la fin de tout ça, la fada. On va se dire au revoir. Euh, souhaiter bonne chance au candidat wannan dai matasan dai kun shi dai da wani irin eta da spirit ne za su a wannan zaben sun shirya ma wannan zaben kuma suna tunne da yaunin da ya yi a kansu ci gaban kasar tamu makomar kasar tamu yana a hannun mu matasa kun shi dai ko president ya gayi ba mu za mu sama wannan kasar tamu huta ba in muka samar da huta in ba cikin toka zamu zamu zauna ba president to ban ga waya ne za a yi <laughs> to an ba su dir au revoir sur la fada gobe su ku shurari hallo hira eh, abokin aikin na don di da waɗannan matasan hallo bisa kan abubuwan da matasa suke jira da wannan sabon shugaban kasan da za ya zuwa miye suke jira a musu quelles sont leurs attentes ça sera avec Mr Don a huta lahiya mun gode